Chères auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans le Niger sur Kalangou de ce jeudi 15 février 2024. Je suis Ali Moukela Housseni alias Seno et ce matin je suis avec Fanta Chamsou. Bonjour Fanta. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, merci. Et on fait aussi une pensée amicale à ceux qui sont en coulisses pour garantir le bon déroulement de l'émission. À la technique, c'est Amina Hassani et qui à l'édition. Alors Seno, tu nous présentes le menu de ce matin Oui Fanta, au menu ce matin, nous avons prévu le flash d'informations habituelles et de la musique 100% nigérienne. Il y aura aussi le loti avec les femmes du studio Kalangu et la page sport. Et dans la partie entretien de ce jeudi, vous en saurez plus sur la gestion de la commune urbaine de Madawa. Notre envoyé spécial Asman Aboubakar s'est entretenu avec Asman Abdou, le maire de la dite commune. Voilà, chers auditeurs, restez câblés car c'est parti pour une heure de divertissement et d'infos. Nous débutons cette émission avec le flash d'information présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Bonjour Ali Moukela Ousseini, bonjour Fanta Chamsou. Bonjour, le, le flash d'information à présent. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a ordonné hier 14 février à l'ONG Women Environmental Programme WebWeb Niger de retirer de l'Internet l'application Yamaro sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que de tous les autres canaux de diffusion, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Selon la même source, l'application n'a pas été validée par le ministère en charge de la Santé, ni par le ministère de l'Éducation, encore moins par la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel et le ministère en charge de l'économie numérique une importante quantité de drogue d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, deux motos, trois téléphones portables et une somme de 226 000 francs CFA ont été saisis par les agents des eaux et forêts d'Ottawa. C'était au village de Tudundoki à l'entrée de la ville au cours d'une patrouille. Ils ont également interpellé trois personnes, dont une femme. Le gouverneur de la région, colonel-major Oumarou a assisté hier à la présentation du butin par la direction régionale de la police nationale de Tawa. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Sherif, a lancé hier à Niamey la première édition du concours d'orthographe destiné aux élèves des classes des cours moyens de la ville de Niamey. Cette initiative vise à améliorer la qualité d'apprentissage et à promouvoir la culture de l'excellence au niveau primaire. 16 établissements de la capitale ont été sélectionnés pour participer à ces concours. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 15 février 2024. Merci beaucoup Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, aujourd'hui nous allons écouter Asuman Abdou, maire de la commune urbaine de Madawa, qui va nous édifier sur la gestion de cette collectivité située dans la région d'Ottawa. Eh oui, mais avant, nous allons d'abord faire un tour en musique avec euh, le titre Bewa de Hamdi Malam. C'est parti. Rien ne doit t'empêcher de sourire à la vie. Ton handicap ne doit pas t'empêcher une joie de vie. Chaque jour vit ta fête, tout se passe dans la tête. Espère, fonce, tu peux le faire. L'handicap est un don de Dieu. Soyons forts dans notre mentalité. Développons toutes nos capacités pour découvrir nos qualités. Babu Gurmu go. Babu sera go. Babu Gurma C'est go. babu urmu serago babu makawo serago babu kurma serago serago lumutaji mukama jikinmu mun aiki don mu gina ga sanmu mu Aïki, damogina Nagasamu l'handicap est un don de Dieu Soyons forts dans notre mentalité. Développons toutes nos capacités pour découvrir nos qualités. Les personnes handicapées ont aussi du potentiel. Les soutenir, c'est l'essentiel. Ils ont besoin d'un coup de main, ils ont besoin de notre soutien. Les soutenir, c'est l'essentiel. L'handicap est un don de Dieu. Soyons forts dans notre mentalité. Développons toutes nos capacités. Et oui, euh, le titre Bewa est une ode inspirante à la résilience et à la dignité des personnes en situation de handicap. À travers ses paroles, Hamdi Malan souligne la force intérieure et la détermination de ceux qui font face à des défis physiques ou mentaux en les encourageant et en ne pas euh, succomber à la mendicité malgré les difficultés rencontrées. Et son message véhicule un profond respect pour la dignité humaine. Avec une musique captivante, Baywa devient bien plus qu'une simple chanson, elle devient un appel à l'action pour une société plus inclusive et compatissante. Voilà donc euh, après cette belle chanson, nous allons entamer la première partie de notre entretien du jour. Après avoir présenté sa commune, le maire de la commune urbaine de Madawa, Asman Abdou, évoque la situation du recouvrement des impôts. Il est au micro de Asman Aboubakar. La commune de Madawa, c'est une commune urbaine avec euh, une superficie de 722 km et une population de 125 767 habitants, mais c'est le recensement de 2011. Donc euh, c'est une commune qui a 95 villages administratifs et elle est limitée à l'est par la commune de Worno, à l'ouest par la commune de Galama, au sud euh, par la commune de Savangida, au nord par euh, la commune de Azarori et le département de Bouza. Et qu'en est-il de la situation du recouvrement au niveau de la commune aujourd'hui Bon, la situation du recouvrement, disons, euh, à la date d'aujourd'hui, elle n'est pas, disons, satisfaisante, honnêtement. Tout simplement liée à la situation de précarité que la population vit. Et à la saison hivernale passée qui n'a pas été très concluante. Tout de même, les gens s'acquittent tant bien que mal du devoir qui est le leur, notamment les taxes, les différentes taxes. Mais le problème, il réside au niveau des taxes de marché. C'est une taxe que la commune doit recouvrer pour faire face aux différentes charges. Mais malheureusement, cette euh, taxe-là, elle n'est pas perçue pendant des années durant. Je veux préciser ici, la taxe à laquelle je fais allusion, c'est les taxes de marché là, de 100 francs journalière que les gens qui font le petit commerce doivent s'acquitter et taxes de voirie. À ce niveau aussi, il faut dire le recouvrement a été très très très faible les années antérieures, c'est-à-dire 2023, 2022 et même 2021, parce que nous avons pris service en mai 2021 et la situation que nous avons trouvée n'est pas du tout reluisante parce que les gens sont réticents. Et le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire celui de la démocratie, ne favorise pas cette euh, perception avec un degré d'autorité, alors que la sensibilisation, qui doit être un outil de travail de conviction, n'est pas du tout efficace. On a beau sensibiliser les gens, mais les gens refusent de comprendre. Surtout les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui confondent cette taxe-là avec l'impôt. Nous avons eu à leur expliquer que ces deux impositions différentes, celle dont nous, nous voulons rentrer en possession, c'est une taxe différente de l'impôt qui est imposable ou dû. Mais jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, nous sommes dans la phase de la sensibilisation. Mais honnêtement, l'optimisme n'est pas, n'est pas grand. Voilà, c'était Asman Abdou, maire de la commune urbaine de Madawa, au micro de Asman Aboubakar. Avant de continuer, chers auditeurs, faisons une petite pause en musique avec ce son de El Phoenix qui nous chante Ici, c'est Niamey. 2005, Niamey, Niger, Phoenix. J'ai pas mes mots, j'attends le bon moment, c'est automatique. Tu me souris pour de faux, non ne fais pas semblant, c'est trop pathétique. Ma team authentique, magique, magique. Phoenix est unique. L'Afrique valide le monde panique. Non, ce n'est pas mythique. Salam record en kick. À ces MC, pas de pique. Je mon morveux, se mouche, oh, mais quand même se couche. Du lourd, on avait promis. Ils nous suivent comme des. Dans nos têtes, c'est la folie. Prépare-toi à prendre le coup limité, nos talents mérités. Jalousé par les faux MC. Sur le terrain, je les vois paniquer. paniquer je les vois paniquer. Rien ne nous effraie. Rien ne nous étonne. Même si tu pèses des tonnes, non, tu n'impressionnes personne. Ici, c'est Niamé Ici, c'est Niamé Ici, c'est Niamé Ici, c'est Niamé Ici, c'est Niamé Et eh oui, ici c'est Niamé. Euh, dans ce titre, El Phoenix affirme avec euh, assurance que sa musique est au sommet malgré les critiques des autres artistes. Que le taf qui paye, tu veux l'oseille, faut que tu veilles tard. Ah, ah, pistonnet, soldat du peuple honnête. Tu veux nous détrôner, oui, si le talent s'achète par la monnaie. Sors, y'a mon heure qui sort, y'a mon heure qui sort. voilà, chers auditeurs, c'était ici ce Niamey de El Phoenix. Nous allons à présent, passons à la deuxième partie de notre attention d'aujourd'hui où le maire de la commune urbaine de Madawa évoque cette fois-ci entre autres la question de l'accès à l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Aujourd'hui, qu'en est-il de la question de la salubrité, de l'hygiène et de l'accès à l'eau potable au niveau de la commune La commune est confrontée à un problème aussi de salubrité, dit à une quantité importante des ordures ménagères produites chaque jour et les gens aussi se permettent de les déposer n'importe où, même à des endroits non autorisés. Et du coup, compte tenu de l'importance de ces ordures ménagères, la mairie n'est pas en mesure d'assurer l'évacuation journalière de façon régulière. Donc c'est ça qui fait, vous constater. Dans la ville, il y a des tas de ordures qui, pendant longtemps, on n'a pas eu le temps matériel de mettre la main là-dessus pour les évacuer. Et quelles sont les actions que vous mener Les actions, c'est la sensibilisation. La sensibilisation à déposer les ordures là où il y a les dépotoirs autorisés. Mais le problème, ces dépotoirs-là, des fois, sont un peu éloignés de la population. Et les gens dans le ménage qu'on charge d'aller déverser les, ordures là, c'est des jeunes, c'est des enfants. Et dès qu'ils quittent la maison sur la voie publique, ils déversent et ils retournent. Donc c'est ça le grand problème. Est-ce qu'il y a des sanctions Bon, des sanctions, nous, nous ne voulons pas <laughs> parler de la sanction parce que si on sanctionne, vous voyez, l'effet de la sanction peut engendrer des, effets qu'on ne peut pas maîtriser. Mais nous insistons sur la sensibilisation. Bon, l'accès à l'eau potable, vraiment, on est à un taux important d'accessibilité de l'eau potable au niveau de la commune. Et on sait que Madawa est traversée par un courrier Qu'en est de la gestion de ce courrier là par rapport au riverains ou au débordement du courrier Bon, la, gestion de courrier, en tout cas, comme vous avez dit, le courrier c'est vraiment une autre situation. Une autre situation difficilement maîtrisable. Le fait que quand l'eau arrive, personne ne peut prévoir le dégât que ça peut causer. Et actuellement, avec les partenaires, nous avons en instance beaucoup de projets de traitement de ce, de ce courrier. En 2024, en tout cas, nous, nous aspirons beaucoup. Il y a beaucoup de partenaires qui sont là, qui vont nous appuyer dans la gestion de ce courrier. aujourd'hui, Madawa c'est une référence dans la culture du violet de Galmi, comme on l'a dit. Est-ce que au niveau de, la mairie, vous menez des activités par rapport à cette frange de la population qui exerce ce métier Oui, bon, vous savez, maintenant, c'est une activité importante. Hein. C'est d'ailleurs la première activité économique de, dans la commune. Et c'est aussi l'activité qui nous engage beaucoup de ressources en termes de finances la commune. Et la population qui la pratique vraiment avec, euh, avec courage et détermination sont aussi organisées en structure, en coopérative. Mais le problème, c'est au niveau de la vente où les acheteurs, avec la, complicité des intermédiaires, ils font leur loi qui, qui les producteurs. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de réfléchir pour vraiment protéger les producteurs, pour qu'ils bénéficient des fruits de leur labeur. Et quant au deuxième label de, <laughs> de la ville de Madao, qui est le Clichy, qui a été labellisé il y a quelques mois de cela, Mmh. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie des, gens de la commune Oui, ça a changé. Si vous avez fait le tour, euh, vous allez voir des points de vente modernes où le cliché est bien protégé, un peu partout, surtout au niveau des, des gares routières, des agences de voyage. Donc aussi dans le marché principal de Madawa, vous constaterez que vraiment cette filière-là a eu d'importants financements. Vous allez voir des dispositifs, comment le cliché est produit, comment il est, protégé. Ça aussi, c'est vraiment une filière avec laquelle la commune compte. Voilà, c'était Asman Abdou, le maire de la commune urbaine de Madawa, au micro de Asuman Aboubakar. C'est nous, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. D'accord. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et place à notre rubrique consacrée à l'éducation numérique. Aujourd'hui, nous abordons une question qui suscite beaucoup d'inquiétudes dans le monde numérique, bien sûr. Midjourney envisage sérieusement de restreindre la possibilité de créer des images politiques par intelligence artificielle. Et pour discuter de cette problématique, nous avons avec nous Ousmane Mamoudou, spécialiste des questions numériques. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta, bonjour à tous. Bonjour Ousmane. Euh, Fanta, je rappelle aussi que Ousmane est également le responsable du desk numérique ici au studio Kalangou. Ouais. Alors Ousmane, selon les informations de Bloomberg, la direction de Midjourney, euh, la direction plutôt, que Midjourney voudrait bannir la création d'images politiques, notamment celles impliquant Donald Trump et Joe Biden à raison des risques de désinformation lors de l'élection présidentielle américaine de 2024. Qu'en pensez-vous alors oui, c'est une décision assez importante quand même de la part de Midjourney, donc une décision de la direction. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des images politiques peut être source de manipulation et de désinformation, surtout dans un contexte euh, électoral euh, qui est aussi tendu. Et il semble que Midjourney cherche à éviter les détournements et les contenus, euh, des contenus inappropriés. On a vu cet effet-là notamment lors de l'élection présidentielle. Euh, qui avait euh, mis euh, Hillary Clinton et Donald Trump, il y a eu des suspicions, etc. Mm. Et surtout que 2024, c'est une année électorale record. Il y a 4,1 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, qui va aller voter dans 68 pays. Et c'est des, des, et, donc ces élections vont se dérouler sur tous les continents, notamment aux États-Unis, le Brésil, en Afrique, la Russie aussi. Mhm. Euh, donc ce qui représente 8 sur 10 euh, des pays les plus peuplés. Donc les pays les plus peuplés au monde aussi auront beaucoup d'élections. Mhm. Donc c'est vraiment une année à risque que les grosses boîtes de la tech doivent euh, essayer de gérer à leur niveau. D'accord. Alors Ousmane, David euh, Wolf, fondateur et patron de Midjourney, a mentionné qu'il comprend le côté amusant euh, de créer des images de personnalités euh, politiques comme Trump, mais qu'il pourrait être plus sage de s'abstenir pendant cette élection. Penses-tu que cela suffira à prévenir les détournements alors, la tâche est vraiment délicate. Même si Mini journée a mis en place des filtres de modération, le risque de contournement demeure euh, vraiment énorme, surtout avec l'évolution euh, très, très rapide de l'intelligence artificielle euh, générative. Donc, ces précautions sont encourageantes, mais je pense qu'il faudrait que toute l'industrie de l'intelligence artificielle participe à la régulation pour garantir une euh, protection assez efficace contre la désinformation. Et actuellement, on constate déjà des détournements en cours avec des images conçues pour nuire à Joe Biden ou Donald Trump. Midjourney pourrait interdire certaines requêtes, mais le problème des deepfakes et des manipulations par l'IA générative persiste. Comment assurer une régulation efficace alors, je le disais tantôt, la collaboration entre les grandes entreprises technologiques est, vraiment importante. Donc, nous avons vu, par exemple, Meta, la maison mère de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, mhm. qui a pris des mesures en identifiant les contenus euh, produits par l'IA pour éviter de tromper les utilisateurs. En plus, il y a OpenAI, le créateur de Midjourney, euh, qui intègre désormais des, des, des, des marqueurs pour identifier ces images générées par son outil DALI. Donc euh, OpenAI, c'est aussi un concurrent de 1000 journées, c'est pas euh, le créateur de la boîte. Mhm. Donc, mais il reste des défis, notamment avec les outils d'IA générative en open source, parce qu'à ce jour, il existe des centaines de milliers d'outils complètement gratuits qui, eux, ne sont pas soumis à ces restrictions qui ne sont pas du tout contrôlées. Ok, c'est euh, c'est effectivement une situation complexe. En conclusion, euh, penses-tu que la décision de midi-journée, si elle est mise en œuvre, sera suffisante pour euh, contrer, hmm, contrer la désinformation pendant l'élection présidentielle américaine Alors, c'est une décision salutaire et donc qui n'est pas qui, qui, est vraiment lieu mais elle ne sera probablement pas suffisante à elle seule. Il faut une approche collaborative de l'ensemble de l'industrie, de l'ensemble des acteurs, aussi bien politiques, pour garantir une régulation efficace contre les euh, manipulations par euh, l'intelligence artificielle générative, je pense. Merci beaucoup, Ousmane, pour toutes ces informations qui intéresseront sûrement nos auditeurs. À la prochaine pour d'autres sujets. Merci infiniment. Avant de continuer, chers auditeurs, nous vous proposons euh, un autre tour en musique avec euh, euh, de Métaphore Crew. C'est parti. L'humanité va à la dérive. Des milliers de milliards de péchés flottent sur toutes les rives. Désormais, les hommes sont armés de désobéissance, car ils ont la tendance d'aimer tout ce qui est prohibé par le bon Dieu. Nombreux sont ceux qui prient et pillent en exaucant le d'être les plus riches, en lieu en place d'être les plus pieux. De toute façon, il y a qu'une façon, même si l'on continue de perdre la raison, en indexant toujours chez Tan avec nos mille raisons. Oui, c'est vrai que le mal est si malin qu'une mène avec ses petits canins l'on devient si vilain. Nous voulons savoir la vérité, faut qu'on apprenne à s'auto-critiquer pour s'auto-préparer avant le jour du jugement dernier. I'm go down the calcamonche I'm Kakoni emu wankashi yadachi Nuni yabata mochi bakalcamonche I'm Kakoni emu wankashi yadachi Nuni ya yabata mochi bakalcamonche I'm Ubangishi go down the calcamonche I'm yakare go down the calcamonche Gaski ya go down the calcamonche Rada adam go down the calcamonche Takoni ewo wanga shi ya dace Nuni ya bata mace magana kamance Takoni ewo wanga shi ya dace Nuni ya bata mace magana kamance Para Si nous a créé pourquoi donc ne pas faire sa volonté oh, oh. Mais l'être humain est trop occupé par ses Le groupe Netafor Crew démontre une fois de plus son engagement et sa profondeur artistique avec ses titres mentiers, n'est-ce pas Seno Exactement Fanta, en utilisant le langage du rap, ils parviennent à transmettre un message sur l'importance de l'unicité euh, de Dieu. mentiers qui veut dire n'oublie pas, nous rappelle euh, la primauté de la soumission à la volonté divine. Tout en mettant en avant cette idée fondamentale, le groupe souligne l'importance de la spiritualité dans un monde souvent marqué par la division et le conflit. Dunia batama chiba kalakamanche Lagoni e uwanka shia danche Dunia batama chiba kalakamanche Ubangi ji gudale kalakamanche Aya kware gudache kalakamanche Ngaski ya gudache kalakamanche Rada adem gudane kalakamanche Gakauni e uwanka she ya dace Nuni ya bata mace makar kamar ce yayin Gakauni e uwanka shi ya dace Nuni ya bata mace makar kamar ce yayin Gakamni e uwanka shi ya dace Gakamni e uwanka shi ya dace Oh, oh, oh, ubangishi kudane kala kamanche anyakware kudache kala kamanche ngakida kudache kala kamanche anangadang kudane kala kamanche ngakauni embo wankashi yadache nuni yabata machema kala kamanche ngakauni embo wankashi yadache nuni yabata machema kala kamanche ubangishike kudanikala kamonje anyokware kudatekala kamonje ngaskiya kudatekala kamonje kadang adam kudanikala kamonje kakaune ebuwanga shiyadache duniya batama chimakala kamonje kakaune ebuwanga shiyadache duniya batamo chiba ba, batamo chiba duniya batamo chiba Duniya batamo chiba, duniya batamo chiba, duniya batamo chiba. Oh, no. Duniyaba batamo cheba, dunia batamo cheba, Duniyaba batamo cheba. Dunia batamo cheba, Duniyaba batamo cheba, dunia batamo cheba. Dunia batamo cheba, dunia batamo cheba, dunia batamo cheba. Et oui, voilà, Calcamantier, cher auditeur, Aji, Jiki, Yasira. Après cette pause musicale, nous allons à présent passer à la rubrique Écho des régions qui nous amène ce matin à Baleara, dans la région de Tilaberi. Dans cette ville, certaines femmes consomment des produits pour stimuler leur appétit en vue de prendre du poids car en se gavant, car l'embonpoint chez les femmes dans certaines régions du Niger est un signe d'aisance. Et oui, cette pratique aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'autrefois, euh, car elle a des conséquences sur la santé de ces femmes. Écoutons ce reportage de Mamata Dandakoy. ballai yaro wai borai iga foma mani inga kyar gamga matano wato kankini na sinu iga hangando teda maria dottigenu a gwanda giru waye a girfa hamanda wato hangan do kan riga bayan bol sikini ne han dindu al fog ce kan ta ten se no wara ngida do nigir mano hangada nigin do bu kam sabo mu dibi ma hankal mu kungu do wai ga ba kan ni min labdulis te ni min hayni bog bog am do din no bor ga gwan gwan gwan kal mu kungu bor mu koy gin kan te din ma har mun mutun ga har mun min har sam ga dake no gon jarga hal al fazar wogto do no din din da taran zambo din ga mo ni gana hangno koy ne to din di zambo hang. Mobi mo bi ko har hin ko han har non kade kade kade lokaci kan turkse wa to koi ne ne yegin to hangan wanki ga te ba safar sambu kan na imdu ganasu. su ga hinga kan se lahani inga ga hamba no do hare hamidu hajja nana saji fam no kango neo wo balle ya loktor kwarado kan ga hagoi da wai borai ga hamba no inga mo irna ha kan yanga fonde ga kinine sambu lahani fona ga hinga kandi se la gonda masala isi ifo se zama safariyar no kan isi bai mata no imkini na dai nigeria wane din kini ne din imaha wal mo imne imte isi pikiriya kullu hanna ga kan borase se mo wana wana bora fulan zama do hare bora ga te kan igane doctor ko arci ga dispini bora wana fulan zama aga te da wasi wasi aga babu fa zama wo id bor kan gon ize iyana ne a han akula kulu wallahi fa kare sai dai no kala wai bora fundo fatta me ai wodi bora ka gai garwo kai bo ai si yadda bora mu ne fikir ne daga bayi ne wallahi fikiro din asite ai ne me borga hin ga koi ga han farmasi safar trezori siyan gono agte dama me amma nigeria wani din wallahi bora mina imina zama kan di laha lai di bora ga ba ma ni wo kai bo bora mu du inga haino manante bora la kalma kani wallahi bora ga te ga han amanto safari ce ciyan mani duyanse hasi amanti kalawai bora president ton grup farin wata

kango wa balle yar basura inga mo aninga ke tona ninga kelnya ka fo sine do kanga fonde ga kini ne sambu danga ya kini ce yo kai tona da nyezo e brezo da ti bon lakkal dirbo du dunyo wai mandi beji kurkan cindaga kan di kinin hanka ka nim to dirbo nanga ci na han izu fo izu hinka ne ya dindu kan ni ba lalle wai bari su ba ni sai da fabil lalo amma an an diyan gona kaman tikinin ne o an dai iri iri an hangan diyan ba farmasi kinino gono kala kala ni cebin sai talku wani gono kuno farmasi koy bumbono cin saka walai masal kuno singa siraga kunu da borga ba hangandi bo zan bora lo moro wa bisibar sai kulu wai borai da aranga ba aran mahallasi kalaran mu moru fonda ga kinin ne zarmaino gane inga ya sai fura ga hambani aba hau aba bari C'était un reportage de Mamata un notre correspondante depuis Baleyara. Oui, on fait d'ailleurs euh, un clin d'œil à tous ceux qui sont à l'écoute euh, dans cette ville sur euh, le 93 MHz d'Alol FM, notre radio partenaire. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent à la page sport avec euh, notre chroniqueur du jour. Il s'agit de Gourouza Karimou Hassoumi. Bonjour Gourouza. Bonjour Ceno, bonjour euh, Fanta. Bonjour Tonton. Alors, euh, nous avons quelques résultats des derniers matchs de la 15e journée de, la Super League, n'est-ce pas, Gourouza Oui, c'est la formation de la garde nationale a infligé une correction aux jeunes noirs de Zumunta sur le score de 5 buts à 1 au stade général luc Contier de Niamey. Les poulains de l'entraîneur Cheikh Omar Gabaté se sont rachetés après leur défaite face au Sahel Sporting Club de Niamey, un but à 0 lors de la quatorzième journée, le Sahel Sporting Club et l'AS Police se sont séparés également à queue de poisson avec un match nul 0 but euh, partout. La Nigélec surpris par la gendarmerie 2 buts à 3 en temps réglementaire. Au classement général, Fan occupe toujours la première place devant les électriciens de la Nigélec, l'Union de la gendarmerie 3e, l'AS Douane quatrième dans ce classement et Canada d'Arlit reste toujours en bas du tableau. Et Grouza, la FENIFOOT va procéder aujourd'hui au tirage au sort de la Ligue nationale. Oui, Fanta, ça se déroule actuellement puisque la cérémonie commence en principe à 11h au siège de la Fédération nigérienne de football. C'est pour la saison 2022-2020 la saison 2023-2024. Le tirage au sort permettra de diviser euh, les équipes en deux poules A et B. Notons que cette compétition nationale est destinée à trouver le champion du Niger. Alors, Gourouza, la a publié le classement des équipes de football sur le plan africain et mondial, n'est-ce pas oui, c'est nous, c'est devenu une tradition pour la Confédération africaine de football de faire euh, cet exercice après la fin de chaque compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Brièvement, je vous donne quelques places des pays nominés. D'abord, le Maroc qui occupe la première place, euh, mais également 12e place au classement mondial. Le Sénégal 2e, 17e au classement mondial. Le Nigeria 3e, 28e au classement mondial. La Côte d'Ivoire, euh, détentrice de la Coupe d'Afrique des Nations, 5e sur le classement africain, 39e sur le plan mondial. Le Mali, 8e au classement africain, et 47e mondial. Le Burkina Faso, 11e euh, sur le continent et 61e mondial. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Gourouza. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 35 minutes et direction Bruxelles en Belgique pour le portrait du jour. oui, Fanta, le portrait d'aujourd'hui nous amène euh, à la rencontre d'un jeune Nigérien du nom de Ali Suleiman. Il a quitté le Niger depuis 2008 pour euh, la grande aventure de la migration alors qu'il était Aujourd'hui, Ali est revendeur de voitures d'occasion et selon lui, c'est pour un lendemain meilleur qu'il a quitté sa terre natale. Notre envoyé spécial Habibou Garbala, interrogé, on l'écoute. aiwo do su borno niger labu amma sai kaldinya mai dogorai habbe ni jarga ba ni zungu eh mangana rango irme chino ga oh ai sai kala belgique labu rane go bruxelles za wat wona rango bruxelles za 2008 de rane go non go bruxelles ra mata no fondo fono arangana kane hare visa na ranche ci invitation ni na rano agade za na arangana ka fon fono arangana kane harali harobo hare no erkada italia hare ne o kada oh ai funu agades libi ne go libi donc j'ai passé par l'Italie que go Europe. dugu to Europe wode dirse nari mamat kana te da kuntu bar en ara murade go feri mo alhamdulillah. Nari mon do ara difficulté kulu parce que bato Lampedusa, lamfaduza je kontine aika swiss da swiss aika nongo belgique to hunkuna murad fo na rango ce ne o belgique ka karan daran bali donc ah, ergo nongo irga dai moten irga nera irga era goyen te nongo on arrive à rejoindre le debout gag sina fo dum na rango na kande la bom zade yango ndara zami be kambore kengo la bwa ngai bumbo da gona ngai kokari kulci gag sina kambore go kande la bom zada la bizo bo kul kango ni labo kan ni dira ni fatin labo ga ni kan ni labo se ga sene sabai sino ni fatin labo ga en kuna din gono ni do haifo ni ga fongo ni nya fuko sine ga kan go fu kan go jangai ga e bo kul mo ga bay ira afrika labo ga jangai gono wa wana ir niger labo ga kanasino, kana sino tare gono rewi an na sari kan gono go europe en kuna ir labo da kanu ir su gori labo ir labo jang ko re kani sabbe sai no ir gono go dindini go sajira ate niga de tilasmu nisin de fo kan nigi to hinkuna irwo irkwai no ir gogun ware irkwai makambana irse la kalkana matabata ir afrika labo gamara wani wana di sambudi ne mali burkina ka niger ra ir labu matkanci na ran da dawo te da kundu fu kanu aran maran ye fu ko goro bora kulm gor ah. goykiyar kamra bani ya din no me dira wo amana de no me borgun ware irkwai ga ni mu fatin mu do arzaka ni man ye ni kwara bani man do arzaka ni suwa inga kiti irkwai min no fondi ni mi ye ni kwara ko gugoro hala aran kanewo gofo dum na ran Oh, wo soji o tarara aite te le chauffeur chauffeur tarara har ka siga kanu inga kan ai dira almiyalu karan dignan fu ko karfo dum na ran gogte shen wodi fatta ni kwara ay kunno kan ga kanu gato Nimudu, mudu ni miniga dole nu wankan ga borka duko kan ga borka noir. zamni fu vous venez de suivre le portrait d'Ali Souleyman, un jeune migrant nigérien vivant à Bruxelles. Voilà, chers auditeurs, euh, poursuivons avec notre quatrième musique euh, de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit du titre Soyeya Dadadi de l'orchestre Tal National. soyayya da daɗi iso Alita chers auditeurs, après cette pause musicale, nous allons passer au Letty du Desk Femme de Studio Kalangu qui parle aujourd'hui du risque de laisser un puits ouvert dans une concession. En effet, euh, au Niger, plusieurs maisons disposent euh, de puits et souvent ces puits ne sont pas couverts. Quels sont les inconvénients liés à la non-fermeture des puits dans une maison où des enfants jouent Écoutons cette discussion entre Samira Rouafi et Rakia Arimi. matsukiji matsukiji kai kai kai yi aniya mana tsayanan fa ka matsa ina ta yi kuma Ina fatan dai ba kwana take yi ba kamar yadda ta saba. Ramu! Ramu! Ramu! Allah! Waye ki kwala mini kira a wannan lokacin? Haba Ramu, me kike yi cikin ɗaki? Ga ɗanki nan shi kaɗai cikin hilin gida, kaɗan yayi saura ya hwaɗa cin rijiya. Ni? subhanallah. <laughs> Habibu! Habibu! Ina ma yake, na shiga uku. Dan labar kuwa gashi nan kusa. To, kai, Allah na gode muka. Allah ɗaya san abin da zai faru inda ban toba a daidai wannan lokaci. Na gane shi kusa ga rijiya yana neman kamo abin wasan shi da ya hwaɗi can sama. Ha? Ai da sai ya hwaɗi ciki kuma iya ya hwaɗa ciki wallahi ba ku sani. Hmm. Ni Allah, da na rasa ɗana, da me zan ce ma uban in ya zo. Yanzu dai Allah ya sa an yi sa'a babu abin da ya same shi, amma ga mu ba ni iya ganewa, ya zaki ki bar ɗanki ɗan karamin yaro kamar habibu yana wasa shi kaɗai cikin hilin gida ha kuma kin sani sarai da wannan rijiyar a buɗe take ba a rohe ba ai wannan hatsari ne gare ku a cikin gidan nan da baki sani ba hmm. bari ami wallahi kin san da kwance ho muke tare kamun barci ya ɗoke ni kuma kullum tare muke barcin rana kuma in ba yau ba ma bai zuwa can wurin kuma zancen rijiya da kike kullum ina jan hankalin ɗan aikin nan ya ringa rihe idan ya gama ba ma itace ruwa. Ban ciya a bakina da gaskiya, amma ya kamata ki ƙara mai da hankali. Ki zan kula da kanki da rihe wannan rijiyar in aka ƙare komi da ake yi da ita ke ya kamata ki zan lura da ruheta Kuma ma, ban ma san don me yasa kuke rike da rijiya cikin gida ba cikin wannan zamanin da ko ina ga famfo kuma kuma ga ku da famfo cikin gida. Hmm, baban Habibu wallahi. in na mishi zancen a kashe wannan rijiyar sai ka mun zancen wai shi'a zai yi wani furaj da ita haba abu ne mai kyau amma kafin nan ya kamata ya tambayi manyan masana su ya kamata su gaya mishi bisa kan yadda abubuwan da ya kamata a girmama kahin a yi wannan forage ɗin kahin nan kuma ya kamata ku kare wannan rijiyar a rihe ta da wani raga ko da wani abu kahin ma a buɗe a samu a yi furaj ɗin har ma saboda yara <laughs> ya ce mini ya yi hira da su na san nan gaba za su zo su yi aikinsu. To hakan ya yi kyau, amma ya kamata ki kara mai da hankali, ki zan kula da yaron nan ka ya ƙare wannan aikin forage. Ke bari ba yaron bari jiyan ma da kaina ni zan ringa kula da ita kahin su ta shige gina forage kin gana shi. To madalla, ga shi ni har na mamance abin da ya kani gidanki. Kai ba dole ba. Hmm, wallahi na gode miki da ke dai da kika zo. Allah ya sa kika zo gidan nan da yaya zan yi. Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Abdul Ali Niali pour la culture linguistique en Fulfulde. Bonjour Niali. Bonjour Fanta. C'est bon, ça va Bonjour, ça va bien. Alors Niali, le mot de la semaine est amour. Exactement. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Et bienvenue à notre rubrique culturelle, culture linguistique de Niger sur Kalangou. Le mot du jour aujourd'hui est l'amour. Ce mot a été expliqué en français, en anglais, en germain et en hausa. Aujourd'hui, nous l'expliquerons en fulfulde. Amour en fulfulde kan woni hidde. Hidde duni fa hannden kan woni ko fenga netto, e giɗo Nahe Na he goddum ko neɗɗo wodi haaju mudum na ko weli neɗɗo. Hidde no tawe caka e saroɓe mum, gorko e deku. Hidde no tawe de kewde. laaɓi hollude hidde du no keewi neɗɗo no holla hidde mum har moƴƴande giɗo mum har yurmade mo har teddinde mo har yafanade mo duni fa hannden nde ni allah waɗi gacce na lural goɗon naati caka neɗɗo e makko hana tikkande neɗɗo kan woni neɗɗo hiɗa joomum de rafi hilnaare na mbi'en saanude joomum no ko holla neɗɗo wala hidde gan joomum hidde ko ɓeyda sembe ɓurnan non hidde no wallira suɗude enɗan heɓude duni fa hannden mosola saɗormaji deni allah waɗi yimɓe no tawra he majji dade neɗɗo waɗi no neɗɗo no tawra he saɗormaji ɗiyanda hettiniɓe sigilaji studio kala ngu ɗum saabi miɗen mbi'a on durwon wattude hidde nder ɓerɗe moɗon gatton nduni fa hande hidde nder hunde fuu ko cigili ɗon na ko anni ɗon waɗude ɗum watta hunde de gatton nde enden laato hunde de barke hunde de wallira jare yeeso e hettinade sigilaji studio kala ngu niger sur kala ngu yande sappo e goo yaade yande sappo e ɗiɗi on barkini valantou Merci beaucoup, Nyali. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Fulfulde ou en Tamashek, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ni suna na Walima Ahmadu a nan garin Gegima. Ni mai sauraron kalangu Ni gaskiya kalangu suna birge mu yanda mutum baya zaton shi akan shirye-shiryen da suke. Shirye-shiryen da suka yi birge mu kamar shirin mata da yara. Al'adu kuma da motsa jiki da kuma ilimi da kiwon lahiya da tsaro da tattalin arziki. Muna kira su ci gaba da yi Allah ya saka musu. Sunana mamma Umaru amma da yawa da suka sani sun yi sani na da sunan tsoho. Don kwani tayar ne ina cikin village artisanal nan cikin garin da kwarar insha Allah. Eh, don ka studio Kalangu muna biye da su sau da kafa forum de jeune da sauransu duka emission wannan muna sauraron surtu akwai wata tana nan in ekip la de deux akwai wanda suke cewa gora ta gora ta wannan emission kin tasu ina shin dadin ta insha Allah. Ni ne baban duman bandi to ni dai ma'abucin sauraron Kalangu ne akan tashar Ikirawa to amma kuma ni ina so in danyi wani kira gare su ina so wannan a sanya ra'ayoyin masu sauraro don hakan yana ƙara mutane kuzari kuma shirin da ya fi burge na gaskiya shirin muhawara ne da kuma na fada wannan da ake yi. ai sai ni gine sa da sulai ai no go santar wasiya wani gin mora ai no go zankare nun gangai wani kaba goye tilibiyar kwarara dai no ai gogai ba funati. to madalla studio kalangu irgo gama razama radiya kan si gine ba ne fm a rano irgo ma studio kalangu labari labar hanniyan no labar kulkan burma studio kalangu irma tabbata na kan cim kware no labaro gini dungur yew no te irse irga hangan irgo mai kulki gogo cimo dir mara mir be kancim de no wode studio ngura ina labaru tunandi kula irin mutabtan kala labaru wode wocim kware assalamu alaikum ni ne mama mustafa daga nan magarya muna sauraron eh, shirye-shirye na studio kalangu wanda FM magarya ke tare take sawa suna hawara daga karfe 7 sattar a 19 suke hawara su kuma suna shirye-shiryen su da duka yare na Niger. Faransai, Hausa, Zabarmanci da komi da komi muna amfanuwa sosai kwarai da gaske. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, euh, c'est sur cette belle mélodie des jeunes filles de la Samaria de Gaïa que nous allons prendre congé de vous. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était euh, Fantan Chamsou et moi-même Ali Munkela Ouseni alias Senou. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. À la technique, c'était Amina Hassani qui a à l'édition.